le Président de la République, après avoir donc euh, voté ici au centre de vote Ndiaye, quel est le message que vous avez à l'intention de, l'opinion D'abord, euh, rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être témoins et depuis quelques minutes acteurs de ce grand jour d'expression démocratique. Comme nous le constatons, le peuple est en train de sortir, d'exercer son droit de se choisir ses représentants à l'Assemblée nationale. Il le fait dans le calme et dans la sérénité, dans la pure tradition démocratique sénégalaise. Voilà pourquoi j'ai invité les acteurs politiques dans la campagne électorale à faire preuve de responsabilité pour battre une campagne apaisée, sachant que le jour venu, le peuple aurait la même posture de grandeur qu'on lui connaît et qui fait la fierté de tous les concitoyens, de tous les compatriotes sénégalais, qu'ils soient d'ici ou de la diaspora. La maturité démocratique, c'est aussi des acteurs responsables qui s'affrontent par les idées et par les programmes, qui parlent au peuple dans la sérénité et dans le respect mutuel et qui laissent à ce peuple le droit fondamental qui lui appartient exclusivement de se choisir ses représentants ou ses dirigeants. Pour le reste de la journée, j'invite à nouveau les électeurs qu'ils soient citoyens simples ou candidats, qu'ils soient tête de liste ou investis, à faire preuve de sérénité, à jouer pleinement la carte de la paix et à recevoir la volonté populaire qui sera exprimée à travers les urnes par une sérénité et une acceptation qui fait le jeu démocratique. Il y aura toujours des vainqueurs à l'issue de cette élection. Il y aura aussi des vaincus. Mais en définitive, c'est le peuple sénégalais qui sera gagnant. Et nous avons tous l'obligation morale de préserver cette, euh, de préserver cette, euh, cette appréciation et ce jugement que la communauté internationale nous porte et qui est empreinte de respect

sénégalais yaa ngi génn ci dal ak ci seen teyefu bakkan di dem wane seen tànneef ci ñi nga xamante ne ñoom la bëgg ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi nii nag sénégalais yàgg nañ ko doxale ndax am nañu mat gi te yàgg nañu wane ne saa yu élection jotee ak nu coow li bari bari bari dinañ dem ci dal ci jàmm dem wote ñibbi ndànk seen kër ci ngoon si ñu joxe résultat bi bët set ku ne demaat ci li nga nekkoon muy sa ite loolu moo tax bu ñu doon dugg ci campagne électorale bi ma doon waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi ak ñoo nekk ci kujje gi te jiite ay liste électorale wala ñu am fu ñu féete te di ko fësal doon leen woo ñu nawlante mayante cër te tamit xam ne Sénégal gii ñoo ko moom te liñ ci bëgg a def ñu nekk ci kujje gi wala ci nekk wala ñu nekk ci nguur gi duñ ko mën a matal lu dul ne dañ koy def ci jàmm ak ci dal gannaaw bu ñu yàlla mayee nag ñu am askan gu am dayo gu ñu am ci mat ak ci maturité démocratique xam lu mu bëgg te bés bu jotee mu fësal ko ci jàmm acteur politique yi nag ñoo war a def ñoo war a góorlu ba nekk ci niveau bi askan wi tollu lolu daf ñuy may bu ñuy dem campagne électorale ku nekk nga dem ci jàmm waxtaan ak askan gi ci jàmm fësal sa programme askan gi déglu ñëpp bu bés bu jotee mu doxal nu mu faral di doxale bés bii tey nag bés bu am solo la ci démocratie sénégalaise ndax fee nga xamante ne foofu la ñuy xëccoo pour dem te muy yoon du xëccoog ñaaw ñaawoo du xëccoog xiiroo du xëccoog ŋaayoo waaye noonu la war a demee ndax ku ne dafa yëkkati loxo ne damaa bëgg teewal askan wi askan wi nag moom moom baat bi mooy jox ku ko neex foofu li ñu fay doxal dafa am solo solo soo xam ne tànneef bii nii buñ ko defee fii juróom at yi di ñëw bu soobee yàlla lépp loo xamante ne moo nar a wàccaat ci askan wi ci ay li ñuy watte ci sart yu tegu ci ñëpp foofu lañ koy defee li ñuy wattoo tamit ñi nga xamante ne fal nañu leen am na juróom-ñetti weer ci gannaaw muy président de la république ak ñu mu àndal foofu lañ koy defee kon assemblée nationale bërëb gu am solo la ba buñ fa dé tan tanef gi warna tan don tanef go xamantene gannaaw déglu programme la gannaaw sétlu ndax ay ndaw la ñoo xamantene buñ leen yonné duñu leen mëna woowaat ñu waat ñu remplacer leen tank jama ngi am té tank ak diir gi ñu leen appal matul kon limay ñaan ñi nga xamantene nekk di wote am fu ñu ñu nekk ñoo xamantene woté rek lañu dem dem toogaat wala mu nekk ñoo xamante ne fësal nañu fu ñu bokk ndax ay militant lañu wala ñu nekk ñoo ñu jiite ay liste nañu ànd ak dal li des ci bés bi ndax taaru bés bi mu commencé ñu mën ko eggalee noonu duggee nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yal nañ ko yàlla may ñu mottale ko alhamdulilah rabil alamin loolu nag li koy maye mooy segem processus bi bëriwul coow ci xëccoo ci diggante acteurs yi ndax dañ ci fësal euh, tëddee njaaxaanaay lépp lu ci nit waroon am ci àq jox nañ ko ko ba mu mat ni ma ko diggee woon ne dinañ am ay ay élection yu régulière yu démocratique ak yu transparente matal nañ ko ba fi ñu toll nii li ci des nag mooy ku nekk respecté sa àqu moroom ba luy fësee ci urne yi ci mbañ gàcce yi ñu xam ne askanu Sénégal lii la tànn te nuñ ko nuñ koy tànnee noonu nag gannaaw dañuy wax ne la peuple est souverain maanaam askan wi moom moom baat bi kum ko jox ñu nangul ko ko non te xamna na ben bopale ken mënu ko xarña waye doxal li andi jam. waref la ci ku ne nga nek ci ku jegi wala nga nek ci ñi nga xamantene ño jité rew mi ànd ak ñun wala ñu ànd ak ñoo xamante ne ci liste majorité présidentielle bi Ila laa bëggoon fasal ci kaddu di ñaanal sénégalais yépp ñu am bésub jam te yalla may ñu ñu matal lépp lo xamantene yéena la ci yéena gu rafet ci bëss bi ba nuñ koy defee saa su ne ñu koy bàkkee Afrique te ñu am responsabilité générationnelle tamit perpétuer ko maanaam fësa wéyal ko yàlla may ñu ñu matal ko incha allah rabbi te loolu rek mooy li ñuy sàkku ci ñëpp ñoo xamante ne ay acteurs lañu ci bés bi muy bésu bés bu mag ci démocratie sénégalaise jërëjëf